<laughs> non, j'aime ça quand on fait à coulade là. ne vas plus me tromper. Non, non, non. C'est la dernière fois. Tu vas plus me tromper. Non, non, j'aime ça. Quand tu fais accolade là, moi-même j'aime ça comme ça. On peut rester comme ça. Hmm. Faut plus me tromper. Non, t'inquiète, c'est la dernière fois. <laughs>